Merci de, nous faire confiance, vous qui nous, regardez à travers euh, les plateformes, la chaîne YouTube. Euh, aimez et partagez les vidéos. Euh, nous voilà aussi aujourd'hui pour notre deuxième numéro sportif. on parle de football on fait le stade ablay. Euh, le Sénégal, bien vrai que est, qualifié pour la Coupe d'Afrique euh, des Nations, euh, loolu tamit am na solo démb am na lu xewoon foofu euh, xamantene ñu bëri ñu koy ñaawlu euh, surtout du côté des supporters fédération sénégalaise de football daa waxoon entrée libre maanaam supporters yi ñëw leen seetaan match bi entrée libre ñu def communiqué am na supporters xamante ne ñu bëri dañuy daw fale si stade Ablaye wad bu ñu eggee foofu ñu ne l'entrée est payante lolu tamit euh, jurna ay problème euh, ñu bëri amna supporter supporters yoo xamante ne foofu di ñaawlu mais finalement amna na ñu koy kii ñu finalement fédération bi def jël na euh, comment dire toutes les le nécessaire pour ñu mëna a xalé yi pour ñu mëna a dugg si stade Abdoulaye Wade pour ñu suivre les lions du Sénégal tamit le Sénégal a battu comment dire le Burundi par un score de 2-0. Euh, score bobu tamet euh, c'est à féliciter surtout euh, le cas de comment dirais Habib Diarra Habib Diarra xale bu ndaw la mi ngi soog ñëw équipe nationale mom mo doublé demb. ay bi yoo xamante ay ay bi yu rafet def na ay piche ay pichenes yoo xamante ne solo la c'est un gosse xamante c'est à suivre le Sénégal première de ce de son de son aussi amna na réaction yoo xamante ne ñu bëri joueurs surtout ñi koy féliciter surtout les jeunes nga les jeunes poussés ñi ñëw rejoindre équipe nationale loolu tamit am na solo euh, am na ay cadres ñu nekk nekk foofu comme par exemple le cas de kalilu Koulibaly de Sadio Mané ñoom tamit ñi ngi bootaay xale yi pour ñu mën am confiance loolu tamit am na solo lool euh, gis na aussi aussi le retour de de Krépin Diatta si équipe nationale du Sénégal dafa am important parce que Krépin Diatta lu mu apporté si équipe nationale loolu euh, xamante ne euh, Newbury, on n'a pas vu ça depuis des des des des mois parce que dafa amoon ay blessures mais bu mu ñëwé équipe nationale apport bu mu andi équipe nationale surtout l'apport offensif man manam mom day yegg di wacc day yegg di wacc lolu tamit amna solo mais demba gis na euh, génn na ci terrain bi euh, je ne sais pas peut être euh, la fédération pourra nous communiquer lu lu wara peut être dafa am ay bobo wala soit mu mu touti euh, pour ñu ñëwaat encore sur sur le même tempo à ce qui concerne l'équipe nationale du Sénégal Nous avons dit que nous ñu bëri gars yi di toog di susciter polémique à ce qui concerne l'entraîneur euh, Pap Thiaw Pap Thiaw euh, Dembe, wax mu ne en tout cas moom euh, place bu mu nekk en tant que entraîneur entraîneur par intérim dafa geex maanaam dafa euh tay Pape Thiaw def na il faut tamit ñi ñi ñëwaat euh, jaar-jaar Pape Thiaw Pape Thiaw euh, nekkoon euh, joueur di défendre ay couleur équipe nationale la génération 2000 gis nga performance surtout en tant qu'entraîneur parce que amna entraîneur xamanté daf ko dafa di côtoyer comme le cas de Joseph Koto Pape Thiaw xamante ne ñu bëri dafa leen di côtoyer Pape Thiaw jël champion coupe bi avec comment dirais les Jeux olympiques euh, da jëloon coupe lo tamit amna solo lool kon pap Thiaw euh, génn na démb def benn conférence de presse moy manam après match bi euh, daa une conférence de presse di wax la ministre surtout Khady Khady Gaye su Gaye ak la fédération mom en tant que coach intérim jeex na la a jeex fédération bi mo wara jël responsabilité soit ñu nommé ko entraîneur voilà soit nous bien un entraîneur euh, L'autre met, am na réaction y'a xamante euh, réaction par rapport à Pape Il si a joueurs yi euh, surtout le cas du capitaine Kalilou Koulibaly qui jël na il y' a pas un meilleur entraîneur que Pape c'est à dire c'est un message à xamante lancé mais message bu am solo en tant que capitaine il n'y a pas un entraîneur mieux que Pape L'autre loolu message que mi avons lancé au niveau de la fédération mi koy lancé au niveau euh, du ministre des sports surtout euh, le ministre des sports Khadi euh, Khady Gaye comme demba il était il était du moins au stade Abdoulaye Wade Crépin Diata aussi jéem euh, wax mu ne surtout Pape il était il est il était important de bien terminer ses qualifi comment dire la qualification avec un entraîneur qui est là qui nous comprend qui nous comprend. Euh, cela veut dire que le message aussi de Crépin amna solo lami Camara fait un bon travail lolu ça veut tout dire des des des des anciens joueurs jusqu'à la nouvelle génération lolu tamet euh, gars dañu wara baye ci man point de vue par rapport à ça parce que le sport a quelques mois euh, de la Coupe d'Afrique kon qu'est-ce qui va se passer soit le constant équipe bi bloc équipe bi les joueurs maintenant dañu jouer ni bon xoolee cette année man a il y a beaucoup il y a de la fluidité équipe joueur mi yi il y a de la fluidité kon manam man su ma ñu bàyyi Pape mu continuer mu am contrat fi be compétition mooy euh, la coupe d'Afrique des nations su su jàllee ñu xol ñu xol résultat Pape soit. Euh, jël na coupe bi pour la deuxième fois soit ah, bu fekkee am na je touche du bois ñaanal ma ko dama kaa bëgg par exemple Pape Thiaw jël la coupe comme Aliou Cissé euh, parce que ñoo bokkoon génération Aliou Cissé lu mu defoon parce que c'est aussi à remercier cet homme Aliou Cissé a tout fait euh, et la dafa à euh, mon ay critique lolou mom du ñak parce que nit entraîneur en tant que coach bo demee à un certain moment gars la critiquer mais voilà mais en tout cas Alou Cissé euh, gàcce Gatché galama parce que Alou Cissé defna na defna euh, ligue bu am solo aussi c'est à lui féliciter aussi may ñew si les absents aussi il faut, il faut les absents. Euh, on a noté quelques absents, les, les, les, habitués de la Coupe d'Afrique. Mais mom euh, le cas euh, euh, du Ghana le Ghana a pris quatre fois champion d'Afrique mais le Ghana cette fois-ci la Coupe d'Afrique lu problème interne voilà je ne sais pas problème coach voilà problème fédération mais on, à distance, de de loin, on ne peut pas en savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais le Ghana pour dire que le Ghana n'ira pas à la Coupe d'Afrique. Euh, c'est pareil aussi euh, pour la Guinée. La Guinée aussi, euh, gis une Coupe d'Afrique euh, Amna na peut-être un problème d'entraîneur mais la Guinée du dem Coupe d'Afrique boo et Gambie Gambie gis moi, ko mooy année bu Sénégal jël coupe Gambie équipe bu am Sololo, nous sommes suñu voisin aussi Gambie fii la Cameroun. Mais finalement, la Gambie ne va pas participer à la Coupe d'Afrique. Pareil pour la, le Cap Verde aussi. Cap Verde, Coupe d'Afrique. Le Cap Vert n'ira pas à la Coupe d'Afrique des Nations. ce sont les, les, les, les, quatre équipes qui dem la Coupe d'Afrique. L'autre euh, maintenant, mais on peut rien. Malen les, les, les, les, les 14 malen équipe qualifiée, les 24 équipes les 24 équipes pour la coupe d'Afrique des Nations 2025. Il y' a le Maroc il y' a l'Afrique du Sud il euh, y' a l'Algérie, il y' a l'Angola, il y' a le Bénin il euh, y' a le Botswana. Il y a le Burkina Faso, le Cameroun, il y a le Comore, le Comore qui revient parce que Comore, Coupe d'Afrique passée, il était absent. Mais le Comore, pour le, la CAN 2025. Il y a aussi la République démocratique du Congo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Égypte, il y a le Gabon, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Mali, il y a la, Mozambique, il y a le Nigeria, il y a l'Ouganda, il y a le Sénégal, il y a le Soudan, il y a la Tanzanie, il y a la Tunisie, il y a la Zambie et il y a la Zimbabwe. Voici les 24 nations qualifiées pour la Cannes 2025 au Maroc. Mais équipe yooyu me ñoo qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, mais aussi, euh, c'est le cas du Sénégal avec regret euh, euh dans nekkoon fale stade Ablawad avec son trophée c'est une première surtout sur pour le Sénégal c'est à remercier à lui remercier du moins Regret, mm, Defna Ligue, na liggéey xamante ne am solo euh, yóbbu équipe nationale commandé euh, suñu drapeau national faut sorry parce que nous bëri léegi xam le fan Sénégal fan la tout surtout tout bi wala japonais wala chinois am na ñeneen xamante xamuñu Sénégal fu mu mais grâce à regret et aussi il y a d'autres internationaux parce que comme on voyez, l'équipe nationale du Sénégal la euh, la coupe du monde la coupe d'Afrique avec euh, aussi euh, des générations et la génération 2022 en 2002 du la génération 2002 de Ella Diouf, Fadiga, bien vrai, ils n'ont pas eu la chance de prendre la Coupe d'Afrique, mais génération Sadio Mané, Khalilou Koulibaly et ñom jël na Coupe d'Afrique, mais remercier aussi Regreg euh lolu solo euh équipe nationale buy jouer euh, seen dernier match mu Andy andi raayom euh, surtout la euh, le ministre euh, des sports Moué Khady Gay et elle était sur place euh, euh, sur le terrain et elle aussi elle a reçu euh, commandé euh, le trophée de regret lo tamet amna gisna gis image du trophée de di diis na touti mais loolu tamet amna solo lool mu ñew woné ko population sénégalais euh, woné ko aussi la fédération le président Augustin Senghor loolu il euh, y a le capitaine Koulibaly qui était là-bas waxtaan ak mom gré gré di koy encourager euh, c'est le Sénégal qui gagne et aussi euh, Habib Abib euh, ñu Habib Habib Diarra ñu genre comme par exemple le cas de Ismaïla parce que Assar, Sarr ren performance mooy loolu léegi may ñaan may ñaan entre Abib Jara et Ismail Assar. affaire lu mu je vais vous commentaire euh, entre Abib Diarra et Ismaël Assa. Je vous remercie. Je vous rendez-vous euh, pour euh, notre numéro sportif au revoir et partagez à abonner merci beaucoup de de nous suivre sur la chaîne YouTube Welcome TV inch'Allah à nous revoir merci